la fada ku da zabu sukan filin da studio kalangu ke keɓe ma sa a kowane ƙarshen mako. On kiffe trop ces instants où on se retrouve autour des thématiques qui nous intéressent. Cikin hirar mu ta yau, muna so mu taɓo irin damar sana'o'i ko ko na aiki da matasa ke samu cikin fannin fusa'a ko in ce fusa'o'in zamani. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde dans lequel on vit est ultra connecté avec tout plein de technologies dans plusieurs domaines. Kuma, ya matasa dama, kuma an Selon une étude menée par la Commission de l'Union africaine OCDE en 2021 sur la transformation digitale, l'emploi des jeunes et l'agenda 2063 en Afrique de l'Ouest,

Usman Mahmudu Usman ina kwana Ala alo ina kwana Ta ba to kai ma barkan ka da zuwa Allah muna jiran wani bakon namu yana a hanya in ya zo za za ci gaba da wannan tare da shi Vous le savez bien la fala c'est sa musique c'est la rubrique qui est rose et c'est la chronique Top c'est parti Dans un contexte de sous-emploi et de chômage qui s'enracine dans l'univers des jeunes, à cikin fadar mu ta muna son zanta don mu gani matasa peuvent tirer parti de la digitalisation pour accélérer une transformation productive et apporter des solutions au chômage. Zanzo direct ka tambaya ta farko muna so mu sani deja yaya neman aiki na matasa yanayin neman aikin matasa yake a yanzu le marché de l'emploi commence-t-il à devenir favorable pour les jeunes ou muna nan dai bubakar da kai zan to salamu alaikum euh, je rappelle à mes auditeurs hein, que tu es euh, créateur, de contenu. tu es entrepreneur, tu as une boîte de communication bien à toi et euh, voilà. Bon, je dirais une petite boîte en herbe en communication. <laughs> parce que je suis créateur de contenu. Donc, mhm. le marché de l'emploi est assez difficile pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes diplômés qui sont là, mais euh, parfois par choix de spécialité, ils n'arrivent pas à trouver le, métier qui va avec leur profil. Et parfois au niveau des emplois, ils n'arrivent pas à positionner ces jeunes. Du coup, c'est assez complexe pour ces jeunes pour qu'ils puissent aujourd'hui trouver de... Euh, je ne sais pas, l'organe de déboucher, oui, si on peut le dire. Donc la difficulté réside maintenant dans pas uniquement dans le choix, mais aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de, du gouvernement et autres, de la politique du gouvernement, je vais essayer de m'abstenir. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la, la solution qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est, je pense, c'est l'entrepreneuriat. Parce que quand ça ne marche pas, tes diplômes ne te donnent pas ce qu'il faut. Quelqu'un ne, peut pas te payer, euh, je ne sais pas, selon ton profil. Bon, à toi de créer pour t'en sortir. Comme on dit en Hausa, Neman Shinkara, quoi. Mhm. Donc c'est un peu ça ok Ousmane mamudu um, yanzu bubakar ya e yi zance bisa kan kamar matasa da hede sun yemi aikin nasu na kansu wasu kuma sun yi karatun hallo eh, ba samu aikin karatun nasu ba da suke tu es au studio Kalangu et tu es euh, responsable du service numérique. Vous avez beaucoup de statistiques à votre niveau, vous avez, euh, je dirais beaucoup, vous avez fait beaucoup de recherches dans le cadre de, de votre travail au studio Kalangu. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes sont plus au Niger, ils sont plus dans l'informel, dans le formel ou euh, dans l'entrepreneuriat qui, qui est en train de voilà quoi d'exploser. On est plus sur quoi kamar yanzu abin aka lura da shi a niger matasa ba su da ah, accès ba su gauga samun aiki sabili da mi saboda eh, duk abubuwan da suka koya a lakwal yau ah, in aka shiga cikin kasuwa neman aiki abubuwa ne wanda an dan huce su kaɗan mhm, mhm. ba irin wannan competence in ba ke nema ana neman mutum for example wanda ya iya computer ko ko wanda ya iya wasu abubuwa wanda ya iya english ko wanda ya iya aiki da wasu na'urori wanda suke iya sarrafa wasu abubuwa wanda dole sai ka sai ka dan iya informatics sai dan ka iya nana <laughs> computer za ka koya su to yau ko abin ake gani presque duk ayyukan da ake ake koyawa cikin lakololi daban-daban karatu ne wanda gaskiya duka abubuwa ne wanda ake da hannu wani bi lissahi ma contability ma wani bi sai ku gani kayye ne mutane suke shemakin su inda san ne technique daga bayan gane ma aka fara aiki da logicel manya-manya kamar su autocad da da hannu ne mutane suke da san su kenan duk abubuwa ne wanda ya kamata a kawo canji cikin su to in ba a kawo canjin ba kenan in gwamnati ba ta kawo canjin ba pour des raisons tana suna da raison in su wanda mu ba mu san su ba tana ko ba su da muwaye ko ko etc etc mai ko da gwamnati ba ta kawo wa'annan canjin ba matasa suna iya dubawa su gani su kaka za su iya yi tunda da yau neman sani ina ganin sai dai mutum bai niya ba ga internet ga komi a salulan mutum yau akwai komi dun wani kur mutane kur ma suke ba da kyauta bisa abubuwan da mutum yau yana iya aiki da su ke sa su a bisa harkar noma ke sa su a bisa harkar eh, kiwo ke sa su a bisa harkar duk wasu abubuwa da yi da ka rubuta cikin google ko cikin youtube ka samu wani ya parce qu'aujourd'hui les jeunes vraiment beaucoup ont des certifications sur qu'ils ont eu sur internet beaucoup ont appris beaucoup de choses et ça aide à suivre vraiment la marche du monde parce que le monde il va vraiment vers le monde avance mais malheureusement les États et c'est pas que le Niger hein, c'est beaucoup de pays ils peinent à suivre cette marche du monde là ils peinent à suivre les progrès et donc c'est aussi aux jeunes quelquefois de se ressaisir pour euh, trouver les bonnes opportunités. Justement, parlant d'opportunités, bah, on a un homme qui ya iso. Karatu kake, kuma eh, kana livraison. est kuna ake kira in ana so est wani sako sai a kiraye je ya To, yanzu an ce duniya gaskiya yanzu na'ura ta ko ina ce yanar gizo ayyuka kala-kala a yanar gizo suke kuma yanzu har yayi zancen usman formation ma har karatun ma kana samu har a yanar gizo in ka nema kuma har ma ka biyan ma ko biye to yanzu kana ganin matasa suna cikin kamar tahiyar da za su su su nemi wannan kamar su yi zirkin opportunity kin wannan suke koko dai ana nan dai zama dai ana supportan traditional man kakan da abubuwan suke tahiya Est-ce que tu vois des jeunes maintenant qui sont vraiment euh, dans cette marche où il faut aller, euh, où il faut euh, voilà, comprendre comment fonctionne le monde et puis saisir les opportunités Un peu comme toi, ce que tu fais, explique-moi. Donc, c'est vrai, au début, d'accord, les jeunes, vraiment, ils ont un souci d'avoir à s'en sortir dans le domaine de l'informatique. Donc, maintenant, on devrait vraiment essayer de s'adapter au temps. D'accord Plus le temps évolue, vraiment les gens devront évoluer aussi leur mentalité pour ah oui. y ait une concordance maintenant entre cette évolution du temps et cette évolution de la technologie par rapport au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord. yanzu wannan aikin da yake ciki ya ce na amfani kwarai ma da na'ura kuma wannan na'ura halo tana sauƙaƙa mutane rayuwarsu ta yau da kullum bara ko kana da wani ƙarin bayani To misalin yanzu abin da ya haɗi wannan ni na yarda da shi tun da eh, kin san duk babban matsalar yanzu menene duniya na ci gaba mai mu gani muke kaman ubannin namu da suke nan eh, gaban kamfanoni ba su zo su bi a bangakin duniya eh, ci gaban duniya yau in sun yi bulaguro sun ta cikin garurukan nan suna ga wasu fasilite da annan da da ke kama matasa suna gani sun sani amma ba su bari kamar abin magani ba su so ko rashin so ne yana cewa tun da yau tout le monde veut qu'il y ait en fait de l'évolution chez soi. Et tu peux pas voir l'évolution ailleurs, tu rentres chez toi, tu vois que bon, il y a pas cette évolution. Bakajin kishin kasan ka kace kai ma abin da kaga can waje ka kawo shi nan da a ci gaba. Kenan akwai matsala mun ko. Kenan matasa il faut que mu mu samu mu mu sa eh, mu gane yanda duniya take nan ga ci gaba don mu bi hanya. Ku da kanku.

Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Bienvenue dans notre coin dédié aux filles. Aujourd'hui dans l'espace cuisine, on va parler de la préparation de molku. Molku est très bon en soupe, à faire cuire longtemps avec des ingrédients au choix jusqu'au ramollissement de la chair. Rekia, molku, explique-nous un peu. Oui, Mariam, le molko est l'une des recettes les plus privilégiées de la cuisine nigérienne au dixième jour de la fête du Tabaski. Elle est aussi faite lors des cérémonies de baptême généralement et un peu à l'occasion des cérémonies de mariage. Cette tradition culinaire est devenue de nos jours une grande source de revenus pour beaucoup de Nigériens qui ont fait de cela un métier. Et c'est un métier qui est très rentable pour ses pratiquants. Alors, comment préparer le malkou Mariam, pour préparer le molkou, il faut avoir la tête des moutons avec ses quatre pattes, communément appelée molkou. Est un plat super facile en lui-même. L'étape la plus difficile est plutôt le nettoyage de la tête et des pattes du mouton, c'est-à-dire les flamber et gratter le poil pour avoir de la viande des têtes propres et comestibles Les frire ou les laisser comme ça, c'est votre choix. Le est une sauce composée de viande de tête et des pâtes de ou de caprins ou de bovins à déguster en famille, entre amis, collègues et en événement. Les moments resteront inoubliables tant que les papilles auront gardé l'historique du goût. Pour préparer ce molku Mariam, on doit le mettre dans une marmite, rajouter de l'eau. On prend du sésame pilé, puis le rajouter dans la marmite. On rajoute un peu d'oignon, du sumbala, du gabou, c'est-à-dire oignon grillé, de la tomate fraîche, de l'ail, du poivre, du poivron, du sel et de l'arôme. Le laisser cuire longtemps jusqu'au ramollissement de la chair. Mais un petit conseil, il est préférable de le préparer sur le feu du bois, sinon avec gaz, c'est pas facile. Non seulement ça consommera du gaz et on n'aura pas un bon goût. Mariam, c'est tout pour l'espace cuisine. Merci Rekia pour cette astuce. Coucou les filles, comment allez-vous Aujourd'hui de la rubrique rose du studio Kalangu, on va parler de l'évolution des femmes dans les milieux de la musique. La musique féminine au Niger a connu une évolution remarquable au fil des années. Les femmes nigériennes ont toujours joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission de la culture musicale du pays. Malgré les défis sociaux et culturels, de nombreuses artistes féminines talentueuses ont émergé et ont contribué de manière significative à la scène musicale nigérienne. L'histoire du féminisme au Niger montre également comment les femmes ont utilisé la musique comme moyen d'expression pour revendiquer leurs droits et sensibiliser le public à diverses questions sociales. Cependant, malgré leurs contributions significatives, les artistes féminines font face à des défis, notamment le manque d'intérêt pour la formation professionnelle. Néanmoins, leur résilience et leur passion pour la musique continuent d'inspirer de nombreux jeunes artistes à poursuivre leurs rêves musicaux en conclusion, la musique féminine au Niger est riche et diversifiée, reflétant la culture et l'histoire du pays tout en mettant en avant les voix puissantes des femmes qui ont façonné la scène musicale nigérienne. Chers auditeurs et amateurs de la rubrique Rose, c'est tout pour euh, ce samedi. On se dit à demain avec d'autres bons plans, bien sûr. Fada, aujourd'hui installé au siège même du studio Kalangu au quartier Kwarkanon Et aujourd'hui, on discute sur cette numérisation pulvérisante du monde et comment les jeunes, ils arrivent à saisir ces opportunités numériques pour vraiment régler leurs problèmes de chômage. akwai matsala kuma na'ura wannan cikin fanni da yawa an gaje cikin harkokin likita na'ura ce harkokin karatun boko na'ura ce ko ina ita ce to za ni ci gaba da tambayoyin nawa a wannan fadar muna tare da amfate ba il est étudiant et livreur muna tare da abubakar baraje il est créateur de contenu euh... entrepreneur. Voilà, nous sommes avec Ousmane Mamoudou, c'est le chef du département numérique ici même au studio Kalangu. Du coup, on ne peut pas parler de numérique <laughs> sans, sans, lui, au fait. Voilà, je continue avec mes questions. Chez nous, ici au Niger, qu'est-ce que nous avons comme opportunité d'emploi en lien avec le numérique, même si on ne peut pas tout citer quand même les plus frappants Comment numérique là au fait Ousmane, ah, <laughs> C'est la même chose. Bon, mm. ni même si il faut dire que à Niger, bah, je pense pas peut-être, mais je pense pas qu'il y ait une étude spécifiquement sur le Niger sur ces questions-là, les opportunités des jeunes spécifiques, mais il y a eu des études au niveau régional, mondial, et mm-hmm. tout s'accorde à dire que vraiment le numérique, euh, c'est le futur. Et euh, on n'a pas besoin, de <laughs> abokina da yake nan yana ciki ya san shi tana waya ya hini sani amma yawan kuka diba mata ma cikin wazaf suke wani tontin insu da wani abubuwan su cikin wazaf ake sai da kaya cikin wazaf za ka yi wasu koma da inka mutum ba kama taba ganin shi ba tana yana dubai za a yi koma wasu abubuwa shaf shaf wasu suna koma da insu kenan bisa kasuwanci ana an ga akwai sauki bisa haraka neman ilimi abin ya kawo sauki yau in wazi kake so sai dai in baka so ka saurare shi ko ina da kadana <laughs> ga su malamai iri-iri eh. in kuma wani sani kake neman hallo musu harkar galgajiya ko musu harkar noma dukansu mun ce akwai yau ekololi wanda bisa yanar gizo suke kyauta ina iya bada example kama yanzu akwai edo x platform ce kyauta ya da miliyon da kur da su wanda manyan university na etats unis suke bada kur busansu kur ne kyauta certes akwai wanda ake biya mai ba da ba ne akwai su udemy par exemple su ma kana samun kur formation na kirki na ana dan biyan kuɗi kuma akwai France Université Numérique su duka kurin su kyauta ne. c'est des opportunités on peut dire sur le plan mondial. Mais ici au Niger, nous avons des jeunes aussi qui sont par exemple à l'intérieur du pays qui savent même pas qu'ils peuvent faire ça ou ça ou ça en fait avec juste leur téléphone. Est-ce que vous pouvez partager des idées avec ces jeunes là qui nous écoutent tout l'intérêt d'Internet, c'est qu'il n'y a plus de frontières. nan ne daɗin internet babu wani a ce wanga bakin shi zandar dukkan abubuwan da mutum yake bisa yanar gizo in a shi mutum yake yana gani kenan yau zancen wani frontier ya ida kenan duka kurkin nan da ake bada a niger ma mutum yana iya aiki da su an baka kur bisa sarrafa kwamfuta kyauta kaga duka abubuwan da ake yi da shi a niger ma kana iya aiki da shi bisa harkar ɗaukar foto ka samu wani mutum ƙurarre Donc je voulais un peu rebondir sur ce qu'il a dit parce que ça me touche personnellement. Uh-huh. Je suis créateur de contenu et tout ce que je crée comme contenu, je le fais avec mon smartphone. Alors, euh, aujourd'hui, je, banalement, j'ai arrêté de compter, j'ai plus de 300 créas que j'ai réalisés avec mon téléphone. Donc Donc, matière de vidéo, euh, motion, motion vidéo, donc euh, je fais des documentaires, je fais des, euh, des vidéos, je fais de l'animatique aussi avec mon téléphone. Donc, donc aujourd'hui, ce contenu que je crée, c'est un, peu c'est un peu différent de celui qui a une caméra, on est d'accord parce que moi, j'ai besoin, j'ai pas besoin de, de par exemple, d'un monsieur qui va me tenir le. D'une grosse logistique. Voilà, d'une grosse logistique. Je J'ai pas besoin de son, non. Avec le téléphone, j'utilise les applications comme il a dit. J'essaie de, de m'adapter et puis je, je, fais le travail de 4-5 personnes en, euh, euh, euh, avec le téléphone tout seul. Donc, vous voyez un peu. Et ça, aujourd'hui, c'est une connaissance que je peux partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, ce qu'ils font avec leur téléphone. Donc là, maintenant, quand j'utilise mon téléphone et que je vois les autres, excusez-moi, je ne veux pas lancer de, de pic, les gens font juste des vidéos snap dans les toilettes, à côté de la vitre et tout. avec avec, mais je suis désolé, je suis désolé. Je, vois le matériel qu'ils ont et qu'ils ne font que ça je me dis, bon, à chacun sa priorité, parce que je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui me dit, j'ai pas de boulot, je, je et j'ai un téléphone qui coûte 400, 500 000, alors qu'il peut chercher de l'argent avec. Moi, chaque téléphone que je paye, c'est pas pour me jeter des fleurs. Avant la fin de l'année, je gagne en fait euh, le coût que j'ai utilisé pour payer le téléphone. Parce que je sais vendre en fait. Je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, je, je confirme ce qu'il dit. Tout se passe sur les téléphones. Tout se passe vous vous inscrivez, vous faites du business et tout. Parce que moi, personnellement, à un moment donné, quand j'étais en mode de euh, dans l'informel, mes parents pensaient que j'étais un voleur. Parce que j'étais couché, j'envoie des messages, je fais des trucs. On me parle, je dis j'arrive, j'arrive, j'ai des écouteurs. Je sors, je pars à côté, je fais un peu de pub pour Nita, je pars à Nita, je, touche mon argent, je vais. Mais ils me disent, mais <laughs> finalement, qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent yanzu ko wannan salular da ake siye kashin salula jirka ɗari biyar jika ɗari shida kun baka aikin kuma ita yace a yace ya ga wannan kaman wata asara ce kake shi da salular shi ba abin da baya yi yanzu ba irin video wanda baya iya yi ba irin sonkin da baya iya kire ba abin da baya iya kuma matasa da yawa suna yan yi ma'ana za su yi amfani da wannan na'urar da suke yawo da ita sarura tasu haka samu kuɗi haka samu wani kwantara haka yi publicity haka ma wani wata society a fish insu ka yi conception kala-kala ce da ake da su ba selon toi par quel canal on peut vraiment euh, mettre cette transformation digitale au service de l'emploi des jeunes de quoi vraiment on a besoin pour booster ça au fait. Tout à l'heure, euh, Ousmane avait commencé à parler d'infrastructures qui manquent, d'accompagnement peut-être pour les jeunes, de quoi les jeunes ont besoin de formation ou de quoi oui. Le numérique même, il tourne autour de quoi C'est ce qu'il a dit, c'est l'Internet. Mhm. Améliorer la qualité de l'Internet d'abord. Ça, c'est la première des choses que vous devrez faire. Maintenant, pour que les jeunes puissent avoir, accès à une connexion de qualité, c'est très important. C'est ce qu'il vient de souligner. Parce que quelqu'un, il est en, France, il a une connexion, par exemple, de 30, 50, 60 mégabits par seconde. Toi, tu es au Niger, tu as une connexion de, euh, de, de 15, 20 mégabits par seconde. Vous n'allez même pas avoir le même, la même durée du téléchargement. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce facteur temps-là qui est là. On est encore retard. Oui, <laughs> on est toujours en retard. Un fichier que tu devrais télécharger en une minute. Ailleurs dans le monde, ici au Niger, tu le télécharges en 30 minutes. Vous voyez un peu. Donc, améliorer la qualité de l'Internet, de la connexion, d'accord Et maintenant, essayer encore d'adapter, d'accord, le coût de la connexion en fonction de ce que nous gagnons, nous les Nigériens quand même, les jeunes. Ici au Niger, la population est majoritairement jeune d'accord Et le taux de chômage est très élevé. Ça, il faut le reconnaître, d'accord Sur l'indice de développement humain aussi, on est très reculé. Uh-huh. Ça veut dire que vraiment tous les problèmes sont là pour ne pas avoir de l'argent. C'est ça, non Pour avoir assez d'argent pour, pour <laughs> investir dans la connexion, en fait. Donc, essayez de voir euh, vraiment les jeunes ils sont, ils sont vraiment déterminés. Quand vous me regardez, même quand je parle, vous voyez la détermination ah dans ouais, yeux. Évidemment, c'est ça. Euh, oui, il y a cette détermination. J'aimerais vraiment attirer. Très bien. J'aimerais vraiment attirer, d'accord, l'intention, euh, l'attention du moins des jeunes, de mes amis, jeunes et collègues, d'accord, sur l'importance, d'accord, de, la connexion Internet, d'accord, vis-à-vis de certaines, euh, comment on appelle, certains domaines ou bien de professions qu'ils peuvent exercer. Est-ce que vous voyez un peu Bon, et là, toi, tu es là, tu as fini l'université. Tu viens, tu t'assois à la FADA. Au lieu de passer tout ton temps en train de boire le thé ou bien de, de, de parler de quelqu'un, ton téléphone, ton smartphone est là dans ta main. Tu peux concevoir beaucoup de choses. Ouais. Ah, tu as dans, dans, dans le connexion. Ya ce wannan connection kin Aka kawo mata sauki, a rage tsadarta kuma a gyara ta. Ita tunda horon shi yanzu a ce kamar mutum biyu ne matashi biyu aka aka dauka aka ce za a sa su ko an competition ba su abu. Eh, de toute façon on peut pas arrêter la, on peut pas arrêter la marche du monde c'est quelque chose c'est une révolution qui est là et si vous ne suivez pas elle vous dépasse elle vous écrase et, et il a totalement raison. Franchement, le problème de la connexion, c'est un vrai souci. Mais c'est dû aussi au fait que notre pays, le Niger, c'est un pays enclavé. On n'a pas de, comment on dit, on n'a pas d'accès direct à la mer. Or, l'Internet, c'est apporté euh, avec des fibres optiques, des câbles sous-marins qui traversent tous les continents. Donc, ça fait partie, euh, si on peut dire, des obstacles qui, qui, peuvent, qui démontrent potentiellement la cherté d'Internet, mais ce n'est pas tellement suffisant. Connexion mauvaise connexion, ça veut dire quoi Lui qui fait, qui évolue dans la livraison. Mhm. Si quelqu'un lui envoie ses coordonnées et qu'il n'a pas une bonne connexion, peut-être qu'il va se retrouver à un autre quartier. Ben Alors, à, Puisque n'avait pas une bonne connexion. Aujourd'hui, il y a des métiers qu'on n'imagine même pas. Aujourd'hui, qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'il y aurait des gens qui gagneraient leur vie en faisant du live sur TikTok ou sur Facebook ou à gérer des pages, hein, des réseaux sociaux, des sociétés, des community managers. C'est des, nouveaux boulots qui sont là que personne n'a imaginé. Et d'autres vont se recréer. Donc tant que les jeunes n'ont pas pris euh, à cœur ces, ces, outils-là, tant qu'ils ne les ont pas adoptés dans le bon sens, et mon ami qui est là l'a rappelé, ça ne sert à rien d'acheter un téléphone, de faire que des selfies. C'est peut-être aussi un usage, mais il faut que les jeunes essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent se positionner sur le marché de l'emploi avec toutes les compétences qu'ils vont acquérir sur Internet. Et aujourd'hui, des compétences, ce n'est pas ce qui manque. Des, cours, en tout cas, des manières d'apprendre. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si malheureusement, on n'a pas... Il y a plein de services qui ne vont pas fonctionner si la connexion euh, n'est pas stable. Et plein d'étudiants aujourd'hui qui ne peuvent pas prendre des cours en ligne parce que leur connexion n'est tout simplement pas bonne. On ne peut pas regarder de la vidéo pendant des heures. Chez nous, c'est réservé à quelques personnes. Une Moi, avant de déclencher Play là sur Facebook, je regarde la durée de la vidéo. Et c'est pareil pour tout le monde pour voir est-ce que ça risque de, bousiller les méga ou pas. Et là, ben voilà, le, temps, c'est notre émission en français au ça tire presque à sa fin. Mais vous le savez, la Fada Aranta. Et euh, forcément, notre discussion, elle est super sympa, elle est ultra connectée. <laughs> Mais on va aller se détendre en musique et on se reprend juste après. On se détend avec euh, Like de Inyaya, Davido et Kiss Daniel. On est sur la fada et on danse aussi sur la fada. car, you still be riding for me. Back when I had no rubber, you still be spending feelings. Back when I had no boss, you still be standing me. Back when I had nobody, I had you. If you like, show me what you really feel inside. Let me kiss you on your lips. If you like, we can both decide. call me, I'm a just call me, I'm me, just call me, I'm a just call me, I'm just call me, just call me, oh, just me, oh, just me, back when I'm thinking for, now you they bring me back, back when I don't get liver, now you they boost joy. If you like, show me what you really feel inside. Let me kiss you on your lips. On revient à la Fada euh, qui tire euh, voilà, à sa fin. C'était vraiment sympa de discuter avec vous. Et euh, ce qu'on retient, hein, c'est que là, le gros défi, vraiment, vous êtes revenus à plusieurs sur la connexion, la connexion Internet. ita internet kin dai da da pour gagner leur vie, pour créer des choses, pour inventer des choses. Ils ont besoin de cette connexion Internet. Et pour vous, on est d'accord, c'est le gros défi vraiment de, cette numérisation et de comment euh, les jeunes peuvent saisir cette numérisation pour, pour s'en sortir. Ça y est, on est d'accord Voilà. Ben,

Amis du Fada, bonsoir, tout en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux et défis qui entourent l'organisation d'un salon d'orientation pour les étudiants et élèves au Niger. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le samedi 9 septembre s'est tenu à l'hôtel Radisson Blue la troisième édition du salon des grandes écoles et de l'orientation qui a vu la participation de plusieurs scolaires et parents d'élèves, ainsi que les autorités académiques. Eh bien, l'avenir de notre jeunesse est un trésor et orienter nos futurs leaders est une tâche cruciale. Le premier défi auquel nous sommes confrontés est l'accès à l'information. Dans un pays aussi vaste que le Niger, la dispersion géographique des écoles et des universités peut rendre difficile l'accès aux informations sur les différentes filières d'études et les possibilités de carrière. Un salon de orientation centralisée peut jouer un rôle clé en rassemblant les établissements d'enseignement et les professionnels pour informer les jeunes. Un autre défi majeur est la diversité des besoins et des aspirations des étudiants et élèves. Certains peuvent être intéressés par des études scientifiques, d'autres par les arts ou les métiers techniques. Le salon doit donc offrir une gamme variée d'informations et de ressources pour répondre à cette diversité. Le financement des études est également un sujet crucial. Au Niger, de nombreuses familles font face à des contraintes financières importantes. Le salon doit donc présenter des options de bourse, de prêts étudiants et d'autres possibilités de financement pour garantir aux jeunes une chance égale de poursuivre leurs rêves académiques. Enfin, l'orientation professionnelle est un élan essentiel. Les jeunes doivent être guidés vers des carrières qui correspondent à leurs compétences et à leur passion. Les conseillers en orientation jouent un rôle vital dans ce processus en offrant des conseils personnalisés. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite. Merci bien, c'est Ben, c'est la fin de l'émission Tous à la Fada Français à sein Nous étions avec Ousmane Mamoudou, euh, le numérique du studio Kalangou, nous a accompagné cette émission. Nous, étions avec Aboubacar Barazé, euh, créateur de contenu. Euh, nous étions avec Ampateba, il était dans ses livraisons et on l'a arrêté. Il a discuté avec nous cette émission. On l'a bien compris. Les jeunes, ils sont bien conscients de cette marche du monde qui est ultra numérique et ils veulent bien saisir cette opportunité mais ils ont quand même besoin d'être accompagnés, certains d'être formés et euh, d'avoir surtout la connexion Internet qui est stable et qui, est accessible à tous. C'est à l'arrière, on reste connecté à la marche du monde.